Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Kalangou, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la tentative d'évasion la semaine dernière de Mohamed Bazoum, l'ancien président de CHU, euh, annoncé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ensuite, il sera question de la première édition du Forum Paix et Sécurité 2023 qui s'est tenu à Lomé au Togo du 21 au 22 octobre avec comme thème central comment renforcer les transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique. Enfin, question santé avec la maladie de la diphtérie qui se propage dans la région d'Agadez. À la date du 25 octobre 2023, l'on enregistre 202 cas avec 25 décès selon les services régionaux de la santé. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse de ce vendredi 27 octobre 2023. Dans un communiqué en date du 19 octobre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe la population, je cite, qu'aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers et deux éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Fin de citation. Le CNSP félicite la prompte réaction des forces de défense et de sécurité qui a permis de déjouer ce plan qui qu'il qualifie de déstabilisation du pays. Les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République a déjà ouvert une enquête. Alors je commence avec vous, Memouna Diado. Comment avez-vous accueilli cette information Bon, je l'ai d'abord accueilli parce que, comme, tout Nigérien, je l'ai accueilli hein, avec euh, l'information donnée euh, par le CNSP. Mais j'étais vraiment, je, ne sais pas dans quelle posture je me trouve, mhm. parce que je ne sais pas si il faut, euh, il faut donner raison euh, à se communiquer ou est-ce que il faut ne pas donner raison à se communiquer. Bon, moi j'étais quand même un peu perturbée mhm. parce que je me posais des questions. Mhm. Si aujourd'hui le président Bazoum voulait fuir, s'évader, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sécurité autour euh, de là où il est retenu, au, niveau, au niveau du palais présidentiel. Parce que tant qu'il y a, en tout cas, des, des, personnes ou pour, pour sécuriser, des militaires pour sécuriser l'endroit, je me vois un peu, en tout cas, en difficulté pour dire que il aurait tenté de s'évader. Voilà, avec, une, complicité, tout peut arriver. Avec une complicité, tout peut arriver. On ne peut pas aussi ne pas euh, parler de complicité, mm-hmm. parce que ça a toujours été ainsi. Quand des complots se font, euh, il y a des complicités internes. Mm-hmm. Et là, ils ont dit qu'ils ont déjoué. Et mais maintenant, ce que moi je pourrais dire, c'est que déjà le procureur a ouvert euh, une enquête par rapport à ça. les auteurs même ont été, et leurs complices ont été. Donc nous allons euh, rester et nous allons euh, regarder de près ce que ça va donner, mm. l'enquête va donner parce que certainement qu'il y aura d'autres communications autour de ça. Et, mais maintenant, il faut que si, si on arrive jusqu'à à, pénétrer au sein donc, euh, du, de ce palais présidentiel mhm. avec la complicité de certains militaires, mhm. donc ça veut dire que le CNSP... ce cas, il, y a vigilance à mhm, faire. Hein. Le CNSP n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'avec ça, redoubler d'efforts, on ne sait jamais encore avec qui ça peut arriver. Avec qui ça peut arriver. Donc... Euh, redoubler d'efforts, euh, en tout cas de vigilance, mm. parce que de toutes les mille manières, comme on lui dit, la France a juré, en tout cas, de déstabiliser le Niger. <laughs> Mhm, mhm. Donc, ça peut sortir de, de, nulle part. Hein. Ça peut être palais présidentiel mhm. aujourd'hui, ça peut être quelque part où on n'a pas, en tout cas, le, euh, temps pour Mais on ne le souhaite pas quand même. Mais il faut redoubler de vigilance. Alors, Armi, il faut redoubler de vigilance, euh, selon Memouna. Euh, quelle est votre analyse de cette communication du CNSP sur cette tentative d'évasion de l'ancien président Bazoum Mohamed la semaine dernière euh, merci. Moi, je rapproche euh, les nouvelles de cette tentative mm-hmm. d'évasion du président Bazoum mm-hmm. avec le coup d'État qui a été aussi déjoué la veille de son investiture. Euh, on a en son temps mhm. trouvé ça ridicule et tout, mais après ça semble avoir été euh, confirmé mhm. qu'il y aurait bel et bien euh, coup d'État. donc peut-être que cette fois aussi c'est le cas. Vous vous rappelez la 4-4 qui est venue tirer une fois, deux fois sur la présidence et qui a détalé après. Mhm. L'auteur a été arrêté euh, au Bénin, je crois. Et mhm. après, on a dit que oui, il y a eu bel et bien tentative, mais mhm. que euh, ça n'a pas été bien accordé. Mhm, Donc c'est peut-être ça, mais toujours est-il que ça reste quand même un peu grotesque pour nous autres qui ne sommes pas des spécialistes de la sécurité, ni encore d'évasion ou de maîtrise de, euh, de ce genre de, de mais rien a à exclure Déjà, quand il s'est agi d'attaquer le Niger pour mhm. pouvoir euh, libérer le président Bazoum et le, réinstaller, euh, certains ont parlé euh, d'intervention chirurgicale. Mhm, mhm. Donc peut-être qu'il s'agissait de ça. Mais toujours est-il que l'affaire est entre les mains de la justice, une enquête est ouverte, et en ce qu'il semble des soldats ont été déjà, en fait, des complices, ont été déjà arrêtés. Il y a même eu intervention un peu, un peu plus ou moins loin de la présidence au quartier mhm. euh, euh, Tchangaré, n'est-ce pas Voilà, et des interpellations. Donc, euh, vraiment, ça reste à élucider parce que c'est des choses, tant que tu n'as pas de témoins, tant que euh, la justice n'aura pas rendu euh, service, mhm. bon, on, ne saura pas exactement de quoi il s'était agi. Mhm. Est-ce que le CNSP a intérêt à fomenter, à mhm. créer une telle... Est-ce qu'ils sont en mal de popularité Non, je ne crois pas pour l'instant. Est-ce qu'ils ont à jouer un tel jeu D'aucuns disent même que normalement, ou peut-être le CNSP devrait peut-être taire cette euh, aurait peut-être, peut-être, mais euh, dans le contexte où on est, euh, c'est bien d'informer le, mm-hmm, peuple mm-hmm, nigérien, le mm-hmm. grand public, que vraiment il y a des choses qui se font. Il euh, s'il faut redoubler de, parce que là il y a une véritable complicité, une synergie entre quand même notamment les jeunes et euh, ceux qui ont fait le coup d'État du 26 mm. juillet. Donc mm. c'est aussi à leur intention que c'est fait. Mm-hmm. Parce que, bon, il faut que les gens, quand même, si tant et que c'est vrai, il faut que les gens soient informés. Il ne faut pas qu'ils apprennent par d'autres voies. Parce que la meilleure façon d'informer, c'est de prendre le devant et de mm-hmm. dire ça mm-hmm. de source euh, digne de foi, que voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, moi, comment je vois cette affaire-là. Euh, c'est on dit aussi souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, effectivement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors vous, Ousseini Issa, quelle explication donner à cette euh, histoire, cette tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, ancien président déchu, si je peux le dire Moi, en fait, je n'exclus rien. Hmm. je n'exclus rien. Hmm. Quand, on voit l'acharnement, comme avait dit, de la France, hmm. n'est-ce pas contre notre pays en complicité avec certains chefs d'État de la CEDAO, dont le président, comment vais je dire, sénégalais, le mhm. président ivoirien et le président. Bon, le Nigérian encore, il s'est ramolli. Mhm, mhm. On n'entend plus parler parce qu'il y a la pression de sa population. Et on a vu et je pense que c'était au mois de septembre, il y a eu une tentative de déstabilisation au Burkina, mhm. dans, dans, dans, laquelle était impliqué carrément le chef d'état-major général, et qui concernait les trois pays d'ailleurs, le Niger, le mhm. Burkina et le mhm. Mali. À partir de cet instant, je n'exclus absolument rien du tout. Je me dis, c'est dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible que Bazoum est tenté de, de, de quitter. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on est un Africain, hein, n'est-ce pas Bien évidemment. Mais ce qui est intrigant dans l'affaire, si c'est pour le faire évader, ne serait-il pas mieux de le faire évader seul que de vouloir à 3 h du matin, avec sa famille, ses deux cuisiniers, ses deux gars, à la queue le ils vont sortir à 3 heures du matin dans une zone comme ça, la présidence de la République, mhm. n'est-ce pas dans le communiqué, il était dit qu'ils devraient se rendre dans le Dans un véhicule banalisé qui les attendait à quelques encablures. Non, à quelques encablures de la présence. Mhm. Mais cette zone, la nuit, là, cette zone-là, c'est une zone karma, c'est une zone à la limite, quand tu, l'empruntes, tu te dis, c'est à tes risques et périls. et surtout dans ce contexte mhm. actuel. Mhm. Maintenant, comme on est en Afrique aussi, comme c'est l'Afrique là. <laughs> Il n'est pas exclu qu'un charlatan vienne voir pour lui dire j'ai un médicament, un, un charme mhm. ou, ou je ne sais pas moi, mhm. un talisman. Mhm. Quand vous portez, vous allez porter ça, vous allez sortir tranquillement. <laughs> Personne, personne ne va vous voir. Moi, je n'exclus pas des choses comme ça en, en Afrique. Et ils ont cru que ça allait marcher. Dieu seul sait. Mais moi, j'ai dit, comme l'enquête est ouverte l'enquête va permettre de déterminer. Mhm. Mais sinon, si, si c'est pas, si ça tient pas la route, ce que je ne vois pas le lien quand on dit qu'ils sont allergiques dans une maison à Tchangari, où ils ont, ils ont, ils ont, pris des complices, où il y a mhm. eu même tentative de résistance mhm. avec deux blessés. Ça signifie que c'est pas, c'est pas, non, c'est une histoire avérée. Moi, j'ai dit, et il faut pas exclure que, comment d'autres suivent n'est-ce pas mhm. parce que Parce qu'il faut bien se dire ce qu'on voit en train de se passer contre notre pays à cause d'un coup d'État. Il y a la CDAO, il y a, le, comment on appelle toute la communauté, les partenaires euh, techniques, ils ont tous suspendu leur coopération. Et voilà que brutalement, à 21 encore, mhm. l'Union européenne s'est leur dit des sanctions supplémentaires. Mhm, Alors, ça, ça signifie quoi Le CNSP doit redoubler donc euh, de vigilance. Mais bien évidemment, bien mm-hmm. évidemment, pas que le CNSP, tous mm-hmm. les Nigériens, mm-hmm. ces gens sont capables de, perpétrer des attentats pour créer, comment dire, une psychose généralisée dans le pays. Moi, j'ai dit, c'est des choses à ne pas exclure. La vigilance doit être mise à tous les niveaux. C'est pas une affaire de CNSP, mais, mais c'est une affaire de tous les Nigériens. La vigilance doit continuer à être démise pour éviter toute surprise désastreuse contre notre pays. D'accord. Merci bien. Nous, sommes, nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Nous passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi. La première édition du forum Paix et Sécurité 2023 s'est tenue à Lomé au Togo du 21 au 22 octobre avec comme thème central la comment renforcer les transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique. Cette édition a réuni dix pays dont ceux du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le forum de Lomé de deux jours a permis euh, d'aborder largement les transitions politique et les problèmes de gouvernance démocratique en Afrique. Arimi Abba, avez-vous d'autres informations sur cette rencontre Non, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le Togo, n'est-ce pas, euh, essaie vraiment de se distinguer, essaie vraiment d'apporter un plus dans tout ce qui est en train de se faire et de se dire euh, parce que nous sommes euh, quand même concernés, il faut le dire. Mhm. Euh, quand on parle de transition, on parle y compris des transitions comme la nôtre, qui mhm, mhm. date de trois mois, mais aussi ce qui se passe au Bénin, au Togo, au Burkina et au Mali, sans oublier le, la Guinée aussi. donc c'est de cela qu'il s'agit, à, à, mon avis, et le Togo. Euh, qui s'est déjà distingué dans l'appréciation de ce qui s'est passé, mhm. n'est-ce pas Qui s'est démarqué de beaucoup de pays de la sous-région, sous région nest ce pas Et déjà au Burkina, ils étaient euh, forts, avaient essayé de faire une médiation euh, vraiment seuls. Mhm, au Niger aussi, euh, ils étaient les premiers à autoriser quand même le passage des produits de première nécessité, et surtout des produits euh, pharmaceutiques mhm, par mhm. leur port. Et donc, ils sont en train de proposer autre chose. Et moi, je pense qu'on en a énormément besoin. dans la droite ligne de ce que l'Algérie a commencé et qui s'est très vite arrêté, je crois que c'est d'une une manière de d'instaurer un dialogue mmh, mmh, mmh. Euh, et parler des transitions politiques en cours en Afrique. Je crois que ça s'impose parce que euh, que euh, les sanctions contre le Niger, par exemple, ont été carabinées, n'est-ce pas, par certains chefs d'État, n'est-ce pas, poussées à un point douté par des forces extérieures, je crois que on doit avoir notre point de vue à nous. L'Afrique doit avoir son point de, de, de, vue à elle, oui. Justement, un membre du CNSP, euh, le général Tomba, avait participé à cette. Il était revenu même sur les raisons de ce coup d'État. Justement. Oui. Mhm. Justement, ça a permis, ça a permis d'expliquer. Mhm. Donc, de parler des, structures, des organisations, vraiment, je dirais, comme, comme le CNSP, mhm. n'est-ce pas Façon euh, les gens se sont mobilisés à les isoler. Mhm. Ça a permis aussi d'amener, c'est justement les raisons qui les ont amenés à prendre le pouvoir, mhm. mais aussi ce que le Niger est en train de vivre, mhm. le traitement dont a été victime le Niger, parce que là, je reste fermement là-dessus, que nous avons été exagérément sanctionné. Mhm. Personne, même Gaza qui est, qui, est en train d'être bombardé par n'a pas connu le même genre de, de, donc c'est une occasion que je crois qu'on a trouvé et le général. Euh, euh, le, le, ministre de l'Intérieur, mhm, le général, Tomba s'en est très bien saisi. Mhm. Et pour une fois, j'ai vu sur des chaînes de, de, de, de, de, sur des radios euh, internationales, n'est-ce pas, où euh, généralement ces derniers temps, les Nigériens n'ont même pas accès. Il a pu quand même s'exprimer. voilà, mhm. Justement, les propos mhm. ont été relayés et je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mhm, non seulement, bon, ceux qui le font connaissent les véritables raisons pour lesquelles ils le font, mais aussi l'opinion de ces pays-là, euh, de vive voix, ont dû entendre. Donc, c'est vraiment une initiative très louable. Mm-hmm, mm-hmm. Moi, je pense qu'on doit privilégier de telles initiatives au lieu d'être des voies en guerre mm-hmm, dans, un, dans un contexte d'insécurité que nous connaissons déjà. Et dans tous les cas, des, de, démarches vouées à l'échec, comme cette tentative de venir attaquer le Niger. Euh, dès le départ, on sait que c'est une menace. On était inquiet que le Niger puisse être attaqué, mais on savait aussi que c'est extrêmement compliqué pour tous ces pays qui étaient agités mhm. de venir attaquer le Niger. Par mhm. quels moyens mhm. N'est-ce pas On sait que tous ces pays-là, hormis toute autre considération, sont aussi quand même des pays en crise. Donc en Afrique, justement, voilà, on doit toujours privilégier les moyens de se parler. Et on parle de première édition, et puis ça veut dire qu'on... les justement, il y en aura. Et peut-être qu'il ne s'agira pas que du Niger ou du Burkina, il y aura peut-être d'autres choses. Et dans tous les cas, parce que vous le savez, c'est question de coup d'État. Mhm, mhm. Ici, on l'a répété à plusieurs reprises, il faut que ceux qui sont encore au pouvoir ou déjà au pouvoir, mhm. n'est-ce pas, jouent correctement le, jeu démocratique, la bonne gouvernance pour que ça n'arrive pas. Je me rappelle avec un de nos confrères ici, on a carrément euh, failli s'empoigner là-dessus, mais c'est la réalité, la mauvaise gouvernance, la mhm. mauvaise gestion de la chose démocratique, mhm. ça amène à ça. Mhm. Et ça, il faut trouver le moyen de se dire c'est en amont qu'il faut agir, à mon avis. C'est en amont qu'il faut agir. C'est une initiative C'est louable, c'est mm-hmm. louable. Il mm-hmm. faut toujours privilégier les occasions de se parler mm-hmm. parce que c'est tout le monde qui s'en vient. Et ça permet à tout le monde de dire ce qu'il pense et de. J'ai vu toute la chaîne de, recommandations qu'il y a eu, je crois, en trois volets. Et je crois que c'est très important, c'est à reverser. Euh, dans le compte de l'Union africaine ou de la CDAO elle-même, ou de le, voilà, de grandes structures qui mhm. peuvent aussi s'en servir mhm. pour dire voilà ce que le forum, par exemple, du Togo nous a donné. Je crois que c'est fort, oui, on sait comment il est arrivé au pouvoir, comment il reste, mhm. mais c'est <laughs> toujours bien, c'est comme ça qu'il faut procéder à mon avis. Mais Mouna, que pensez-vous de ce genre d'initiative euh, au moment où certains des pays participants connaissent une transition militaire euh, comme il s'agit du Niger, du Burkina, du Mali. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette initiative il faut, je, pense qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement togolais pour mhm. avoir eu l'initiative, mhm. euh, en tout cas, mhm. d'organiser un tel forum et euh, dans ce forum, d'appeler les principaux, en tout cas les principaux pays qui sont euh, dans cette situation. J'ai nommé le Mali, le Burkina, la Guinée et puis le Niger. Donc, ça a permis aux uns et aux autres de connaître, de savoir et d'être plus informés sur les problèmes, réels, les problèmes réels de nos pays. Le problème réel est le fait que le général aujourd'hui s'est retrouvé devant ce public pour leur dire terre à terre comment est-ce que ce qui s'est passé, mhm. pourquoi est-ce qu'ils ont renversé le pouvoir. Mhm. Il l'a bien été clair, mhm. il l'a dit. Et aujourd'hui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que il faut venir, comme il a dit, au Niger pour être plus informé de la situation, mhm. surtout de la situation sécuritaire. Mhm, mhm. Il a expliqué pourquoi ils ont demandé le retrait de la France. Il a expliqué que durant plus de dix ans, aujourd'hui, le Niger fait face à des attaques de djihadistes. Il a expliqué comment aujourd'hui, de par les sanctions de la CDAO et de l'UOMOA, le peuple nigérien est en train de souffrir. Il l'a expliqué. C'est en substance les problèmes de gouvernance. oui, il a expliqué, oui, c'est le problème de gouvernance. Mhm. et on l'a toujours, toujours, dit. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes un pays ou un président démocratiquement élu. Mhm. Non. Il faut se fier dans ce cas, quand tu dis que tu es démocratiquement mhm. élu, il faut d'abord, dans ce cas, être toi-même démocratique à, à, tout, bout de champ. Ça veut dire que la malgouvernance, là, Jusqu'à présent, il y a des pays qui sont dans cette situation de malgouvernance. Mais selon vous-même, qu'est-ce qui explique cette malgouvernance aujourd'hui dans nos États, dans nos pays d'Afrique Mais, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous dirigent, mhm. ils n'ont pas pitié de ce peuple-là qu'ils dirigent. Mhm, mhm. Ils sont des, des, gens qui sont là pour euh, manœuvrer, pour piller, pour euh, tout simplement passer à la corruption. Aujourd'hui, il n'y a que de l'impunité. Et quand un pays vit de cette impunité-là, ça veut dire que c'est les dirigeants. Vous voulez dire donc aujourd'hui que cette démocratie n'est même pas une réalité La démocratie n'est pas une réalité, en tout cas en Afrique. En Afrique, hein, pour ceux, parce que dans les autres, même si je dis en Afrique, c'est en mhm. Afrique de l'Ouest, mhm. on constate qu'il y a un piétinement le de. Sahel, oui, oui, Le pays les pays du Sahel. Mhm. Ça veut dire que quand vous regardez, on est entouré par le Nigeria, mm. on est entouré par le Ghana. Mais ce sont des pays aujourd'hui d'exemple pour la démocratie. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que chez nous, en Afrique de l'Ouest, on n'arrive pas à comprendre le peuple. Mm-hmm. On n'arrive pas à, les dirigeants que le peuple, soi-disant, parce qu'il y a des dirigeants que ce n'est pas le peuple qui les, amène au mm-hmm. pouvoir. C'est des, mains d'autres eh, pouvoirs qui les amènent. Nous, on connaît tout. Mais le gros problème, même si tu voles pour venir, il faut en tout cas, puisque Dieu t'a donné la mhm. possibilité d'être président, mhm. il faut il faut agir en tant que président démocratiquement élu. Mhm. Il faut que les choses que, qui t'entourent, il faut veiller, en tout cas, à la bonne santé de cette population-là et laisser les gabégies et les corruptions à part. Mhm. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que même demain, on va se réveiller avec un autre coup d'État. Mhm, mhm. Tant que la malgouvernance... <laughs> mais non, non, mais en Afrique, c'est comme ça. L'Afrique de l'Ouest, là. Mais c'est pas maintenant, c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. On, va au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Parce que c'est, on a toujours décrié la situation de malgouvernance. Mais tant qu'il y a cette situation de malgouvernance, il y aura toujours un autre coup d'État qui, va, euh, qui, mm. sera fait. Mm. Donc, évitons, en tout cas, prenons l'exemple de certains pays pour demander comment, comment les choses se passent. Mm-hmm. Aujourd'hui, ici, nous sommes... Voilà, l'exemple de certains pays, mm-hmm. qui sont aujourd'hui en train d'avancer mm-hmm. tranquillement. Oh, on ne parle pas de coup d'État quand même. Mais et regardez, hein, moi je me dis que même le djihadisme autre là, c'est vraiment la malgouvernance qui a amené certaines zones là où des jeunes mhm. sont aujourd'hui reconvertis en djihadisme mhm, mhm, dans cette situation-là. Donc, tant que on ne peut pas sauvegarder les minerais que nous avons ici, ou bien tout simplement le peu que le peuple nigérien devrait avoir, et on les prive de ça, moi je suis sûr que nos États <laughs> continueront, de, faire face à cette malgouvernance. Alors, eh. au cours toujours de cette rencontre de Togo, euh, les participants ont formulé, comme le disait Arimi, une série de recommandations euh, relatives au renforcement des transitions vers la gouvernance démocratique et au renforcement de la résilience des États euh, dans le droit de, dans un contexte d'extrémisme violent et de terrorisme. Mais vous, Ousseini, selon vous, est-ce que nos États aujourd'hui ont besoin de régime militaire ou plutôt d'une gouvernance démocratique Je salue d'abord l'initiative de Ford mhm. Quoi qu'on dise, mhm. c'est un visionnaire. Il a compris qu'il ne sert à rien du tout. Nous sommes tous dans le même bateau, mhm, dans la même barque, tous les pays africains. Ford Fort a vite compris que c'est une manipulation de la France. Il faut qu'on sorte de ce giron-là. On nous fait vendre, on nous présente, on dit la démocratie. C'est la démocratie qu'on fait dans nos pays. Mais on dit qu'elle n'est pas une réalité. Non, mais non. La démocratie suppose quoi C'est le meilleur système politique au monde, où les citoyens, a son mot à dire. Il t'a désigné pour conduire à la destinée de ce du pays. Si tu fais mal le travail, il a cette possibilité de te débarquer à la fin de ton mandat. Mais tu viens au pouvoir tu mets de côté tous les mécanismes permettant aux citoyens de te sanctionner. Mm-hmm. En te reposant sur la force, la force publique, mm-hmm. l'armée, la police, pour considérer que c'est toi, qui as tout ce, machin, et tu, ignores, mm-hmm. tu mets de côté les règles et les principes pour devenir un dictateur civil. Ça met en jeu vraiment la Ça met en cause. Alors, l'armée va continuer à être l'arbitre quand on empêche aux citoyens hein, de manifester, même dans la rue, de manière. Mm. Mais attends, alors, par quel mécanisme on peut chasser un, régime impopulaire, mm, mm, un régime tortionnaire Par quel mécanisme on peut le chasser Parce que c'est la même armée, ce régime-là utilise pour mater les populations. Tout le monde voit, les Occidentaux qui sont des hypocrites, ils voient. Mais ils ferment les yeux. Parce que tout simplement, pour eux, c'est bien les messieurs qu'on a au pouvoir parce que c'est eux qui nous assurent comme avait dit, nos arrières. Mhm. les ressources dont on a besoin avec eux, ils sont prêts à nous céder mhm. à des commandes dans des compromissions et tout et mhm. tout. Qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils priment les droits de l'homme, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont fait au Togo, n'est-ce pas les recommandations, c'est des recommandations pertinentes. Tout le monde aime la démocratie. Hein. C'est pas que les gens sont contre la démocratie. Mais quand la démocratie est mal faite, est mal appliquée, qu'est-ce qu'il faut Il faut des coups d'État de temps en temps pour, de Sans vous couper la parole, tout le monde veut la démocratie aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont prêts euh, pour cette démocratie aujourd'hui Les gens qui sont malhonnêtes, c'est les politiciens. Tout le monde te dit je suis démocrate. L'homme politique a failli. Ils sont des malhonnêtes. Ils sont des malhonnêtes parce que quand tu viens, regardez ce qui se passe en Occident. Mhm. Trump a été président, mais Trump a été battu. Mhm. Et Hollande, quand il a senti qu'en allant, il n'aura pas un deuxième mandat, il ne s'est même pas donné la peine de se, de, de, se machiner. Mm-hmm. Mais partout ailleurs, c'est comme ça. Tu sais que tu as mal travaillé, tu es devenu impopulaire, tu ne te casses même pas la tête, tu te mm-hmm. dis. Parce que tu sais que la sanction, là, le, peuple va prononcer la sanction. Mais dans nos pays, le monsieur vient, il s'installe, il, il, il se transforme en roi télé. C'est lui qui gère tout. C'est pour ça que j'ai dit, les mécanismes, les principes, tout le monde les connaît il faut peut-être les renforcer. Il faut faire en sorte, et je l'ai toujours dit dans tous les débats, mm-hmm. il faut faire en sorte qu'on ait des justices, des, une justice véritablement indépendante, mm-hmm. une justice au service de l'associé, société, mm-hmm. pas au service d'une classe politique au pouvoir. Il faut faire la bonne gouvernance. Il faut être Mais la bonne gouvernance sous-entend quoi selon La bonne gouvernance, la bonne gouvernance suppose que tu es à l'écoute de ton peuple tu es à l'écoute de ton peuple, mm. tu essaies de satisfaire les besoins de ton parce que tu as pris des engagements vis-à-vis de ce peuple-là. Mm-hmm. Tu viens élu démocratiquement. et que tu sois transparent dans la gestion. Mm. Il faut que les citoyens cherchent comment l'argent public est géré, où ça va, que, tu puisses, qu'est-ce que, que, les besoins, les besoins primaires du peuple, mm. aller à l'école, avoir la santé, avoir la santé, la, séparation de pouvoir. Mais alors, mais tu viens parce que tu es parti, tu as volé dans les urnes, tu as bourré les urnes, tu viens. Et puis l'Occident, les gens acclament, oui, il a bien joué, mhm. il a gagné. Mhm. Ils, proclament avant même que la, les, la, CENI proclame mhm. et machin. C'est de où on te félicite. Les Occidentaux, parce qu'ils sont d'accord, ils savent que c'est toi qui vas venir faire leur travail de compromission des ressources du pays au détriment des Mais citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste que, nos États, nos pays pourront vraiment éviter cette Il faut mettre en place des mécanismes pour garantir la séparation effective des pouvoirs. Mmh, mmh, mmh. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ça dit que l'Assemblée joue son rôle. Je peux être député au titre d'un parti politique, mais quand je viens, je suis là au titre du peuple. Tout mandat impératif est nul. Mais est-ce que c'est observé dans nos pays Il faut qu'on arrive à mettre des mécanismes où le juge doit être véritablement indépendant. C'est-à-dire, il est là pour la société, qui que tu sois. la liberté d'expression, tout ça. Tout ça, ça doit être. Tout ça, c'est une affaire de justice. Tant qu'il n'y a pas ça, mais il ne faut pas se faire des illusions. Récemment, on a fait 12 ans, hein, on n'a pas le droit de marcher en hmm. Amérique. Le forum de Lomé s'est achevé avec la naissance d'une déclaration de Lomé sur ses transitions politiques à hmm. issues des coups d'État. ils disent que cette déclaration donc permettra d'éviter les coups d'État et aider les jeunes militaires à sortir des états d'exception. Ici au Niger euh, ou bien dans, les autres pays euh, qui connaissent ces coups d'État, comment ces jeunes militaires pourraient-elles arriver à sortir des états d'exception mais, laisse-moi, je vais juste placer un mot, qui va continuer. Mais c'est quoi, ce Sokti On est dans une transition, non Malheureusement, l'Occident ne nous facilite pas et la sous-région ne nous facilite pas mm-hmm. la conduite de la transition. Mm-hmm. Moi, je suis convaincu que ces gens qui sont là, là ils sont pris, ils n'ont aucune envie de rester certainement au pouvoir. Ils sont mm-hmm. prêts à restituer le pouvoir aux civils. Mais encore faudrait-il qu'on facilite la tâche pour aller vers ça. Mais quand des gens se mettent dans une logique où il faut forcément ramener ceux-là qu'on a évincés du pouvoir. Mm. Moi, j'ai dit, il y a, y, a, y a, une malhonnêteté dans la démarche. Les militaires, mm. aussi bien au Mali, il y a mm. des situations que les civils ont créées. Cette situation d'insécurité qui perdure dans nos pays, où on tue des gens, où des civils sont là couchés dans des palais, ça ne les préoccupe pas. Ils sont même de connivence souvent avec les djihadistes. Et c'est eux qui ont créé cette situation-là. Alors, il faut, il faut, il faut ramener d'abord la paix. Mhm. pour pouvoir d'abord penser à remettre les. oui, justement, rien ne peut se faire euh, sans la paix. Mhm. Or, euh, c'est la particularité de nos trois pays qui sont dans cette situation de transition politique. C'est cela le Niger, le Burkina, le Mali. Mhm. On est vraiment, ça fait 12 ans qu'on se bat seul n'est-ce pas, face, face, à cette insécurité-là. Mm, mm, mm. Et malheureusement, ceux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui ne nous ont aidés à rien du tout. Ok, donc il faut restaurer la sécurité. Oui, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait la sécurité effective avant de passer à un régime civil, non. Mais au Niger, on a une tradition quand même de transition, mhm. n'est-ce pas, de, nous-mêmes, depuis qu'on est euh, assez ah, grand, qu'on suit de très près ce qui est en train de se passer. Mhm. Nous avons connu la transition du général Baré, on a mhm. connu la transition de... de, avant lui, il y avait Wanké, n'est-ce pas, il y a eu Salou. On a vu à chaque fois des c'est ce que le, CNSP veut faire, en mhm. ce qu'il semble. Ils veulent aussi en mettre, oui, mhm. la tradition de chez vous aussi, oui, qui est une tradition civile, mhm. n'est-ce pas Où à chaque fois les textes, n'est-ce pas, qui régissent le fonctionnement des différentes institutions ont été revus, comment le pouvoir doit fonctionner ont été revus. Et je crois que cette fois, c'est la bonne parce que ça vient 30 ans pratiquement après la conférence nationale mhm, souveraine mhm, mhm. et beaucoup de gens qui pourraient faire partie euh, du conseil consultatif qui peut être mis en place pourrait euh, pourraient être des gens qui sont nés après même, n'est-ce pas, la mhm. conférence mhm. nationale. Mhm. Et donc, c'est l'occasion vraiment de toiletter ces nos textes. Nous en avons beaucoup. On a essayé, on est quasiment un laboratoire en matière de démocratie. Nous sommes à la, notre septième République, mais il y a lieu de réviser, vraiment de créer des textes qui vont mettre en place des institutions fortes, mais pas des personnes fortes. C'est de cela qu'il s'agit et je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà, pour clôturer ce sujet, mais vous, comment vraiment restaurer la paix et la sécurité, comme le disait Hussein dans ces pays vraiment qui ont connu Comment vraiment restaurer cette paix euh, comment restaurer, la paix dans nos trois pays C'est de les accompagner, en fait. Mhm. Parce que nous avons vu, quand je dis les accompagner aussi, il faut les accompagner mhm. euh, dans le sens euh, donc de recueillir des informations logistiques et mhm, tout, mais pas dans le sens où on a vu la France aujourd'hui accompagner ces trois <laughs> pays. Non, parce que en 12 ans, 10 ans ou 12 ans, la présence de la France n'a rien arrangé, en tout cas pour, pour, les trois pays. Mm, mm, mm. Ah, oui, parce que si, si la France s'était vraiment mise dans la position de lutter contre les euh, djihadistes, on ne serait pas jusque-là dans cette situation des trois, des zones, la zone des trois frontières. Mhm, mhm. Parce que c'est là-bas qu'il faut, il faut, il faut signaler. Mhm. C'est là-bas que ça persiste beaucoup, la zone des trois frontières, et vers euh, Tawa. Donc moi, je me pose la question, aujourd'hui, si on veut nouer des partenariats, il faut d'abord qu'on essaie de voir le partenaire fiable mhm. avec lequel on va signer une convention. Parce que euh, c'est vrai, mhm. nos armées, je ne pourrais pas dire que nos armées ne sont pas mhm. bien équipées ou bien, en tout cas, euh, pour combattre, oui, euh, les forces du mal, mais de toutes les manières, on aura besoin d'appui. On Vivement donc la restauration de la paix, de la sécurité dans ces pays vraiment qui connaissent une insécurité, qui connaissent ces coups d'État. Dernier donc sujet du forum de la presse de ce vendredi 27 octobre, sujet santé, une épidémie de la maladie de la diphtérie sévit euh, dans la région d'Agadez. À la date du 25 octobre 2023, 220 cas et 25 décès ont été enregistrés dans la région, selon Hamisou Maman, chef service à programmation et information sanitaire à la direction régionale de la santé publique qui était au micro de notre correspondant Moussa Maman. propose de l'écouter. L'épidémie qui est en cours, c'est l'épidémie de la diphtérie où on a enregistre à ce jour 220 cas avec 25 décès. Et on a fait le point de ces épidémies à la population, au comité de One Health, le comité Une santé. L'appel qu'on peut donner à la population par rapport à cette euh, épidémie qui est en train de sévir, c'est essentiellement, en tout cas, les mesures d'hygiène. Maintenant, par les mesures d'hygiène, maintenant, il faut aussi et eh, faire recours précocement aux soins. Parce que c'est une maladie, quand on ne fait pas recours aux soins euh, dans le meilleur délai, elle a un taux de létalité, en tout cas très, très, très important. Et heureusement pour nous, au niveau de la région d'Agadez cette fois-ci, avec la sensibilisation qu'on a eu à faire, c'est que les gens ignorent, la diphtérie, c'est une maladie évitable par la vaccination. Ça concerne pour le moment, cette vaccination, les enfants 0-11 mois, qui sont la cible de la vaccination peuvent de routine. 220 cas enregistrés et 25 décès à la date du 25 octobre 2023. Et selon toujours euh, ces médecins, euh, la maladie euh, de la diphtérie est une typique et une infection respiratoire qui induit des atteintes du système nerveux central, de la gorge ou d'autres organes entraînant la mort par asphyxie. Alors, Hussein Issa, un mot sur cette maladie qui continue à garder c'est quand même une maladie qu'on connaît, c'est pas une maladie nouvelle, n'est-ce pas ça fait, partie, ça fait partie karma des pathologies qui, pour lesquelles il y a des vaccinations qui se font et tout. il l'a précisé, le pas? médecin. Maintenant, quand s'il y a la résurgence de ce genre de maladies, ça veut dire qu'il y a problème. Mhm. C'est localisé actuellement, je crois, dans la région d'Agadez uniquement, mais il faut craindre que ça ne se propage aux autres régions du pays. Mais ça doit aussi renseigner sur une situation qui est là de manière générale. Hein. Laquelle mhm. La situation, c'est que le problème de l'accès aux soins de santé. Mhm, mhm, n'est-ce pas Parce que quand on parle, quand tu entends les gens parler, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait. Non, le problème, l'accessibilité financière. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème sérieux qui est là vous allez dans n'importe quelle formation sanitaire, si vous n'avez pas l'argent, comment accéder donc à un médicament mais, alors, eh, mais alors, mais quand on crée une situation où même le public devient payant, il n'y a pas de social, il n'y a rien, mhm. ça fait qu'il y a une réticence. Quand les gens sont souvent malades, ils préfèrent, oui, ils ont une situation, ils préfèrent recourir, comment dire, à des pratiques traditionnelles. Maintenant, mhm. et puis bon, sans se dire, sans chercher à savoir. Ils s'exposent. bien mhm. évidemment. Mhm. Alors, moi, j'ai dit une chose, hein, dans tous les pays au monde, y compris dans les pays occidentaux, c'est qu'il y ait un minimum de prise en charge ben, des, populations. Ici, de plus en plus, travers, par le, à travers ces mécanismes, on vient, on nous impose des politiques où on dit prise en charge, comment dirais des coûts, des choses comme ça qu'on ne connaissait pas. Et les gens sont pauvres, il faut le dire, les gens sont pauvres. La personne, il a vendu ses, ses chèvres, il a tout vendu, il n'a plus rien pour aller. Il va faire quoi Il va se résigner. Voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés et on parle d'hygiène. Mais l'hygiène, c'est quoi quand on se trouve dans des situations comme ça, c'est que ça veut dire que même le minimum, souvent, les gens ne l'ont pas pour acheter Surtout du que c'est une infection respiratoire. Oui, euh, mais bien évidemment, l'environnement. L'environnement compte mhm. beaucoup. Mhm. Voilà des situations dans lesquelles on est. C'est des choses simples. Hein. Maintenant, quel est l'accompagnement de l'État mhm. Parce que le taux n'est pas de dire quand il y a un problème, on se réveille, on court, on dit voilà la situation, et après on oublie. On oublie. Il faut voir, même choléra dont on parle là. Mm-hmm. Mais pendant une période donnée, on ne connaissait pas choléra. Mm-hmm. Sous mm-hmm. ça a disparu totalement. Mais, voilà les dernières, années, ça a disparu. Ah, bah, ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ça C'est parce qu'il y a un abandon des populations. Il n'y a pas un minimum de prise en charge. Et quand il n'y a pas ça, les gens, ce n'est pas, pas de gaieté de guerre qui ne vont pas vers les formations sanitaires. Eh, parce qu'il n'y a rien. Allez-y, bah, pour ma tenter euh, l'hôpital régional. Quand vous allez voir la situation à l'hôpital régional, dans toutes, dans toutes les formations santé, mais vous vous posez des questions. Merci bien. Mouna, <coughs> un mot sur cette maladie euh, la diphtérie qui se vit à Gadez Ce que je, ne peux qu'ajouter à ce que Hussein vient de dire, parce mhm. que c'est la triste réalité mhm. de nos centres de santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge euh, sociale, au niveau de ces centres de santé, mais <laughs> on, risquerait euh, d'en arriver à, ce point. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que également il y a l'accessibilité. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a des centres de santé qui sont un peu mhm. éloignés de la mhm. population. Mhm. Donc le fait même de s'y rendre, c'est un problème pour le malade. Et ensuite, euh, il a parlé de la sensibilisation. C'est vrai, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Il faut de toutes les manières et, être plus proche de la population, leur parler de cette maladie et comment est-ce que, en les sensibilisant, comment est-ce qu'ils peuvent éviter cette maladie-là. Voilà, et peut-être les soins primaires. Effectivement. Alors, une maladie qui a déjà fait 25 mois à euh, euh, Rémi, c'est inquiétant. Comment la mm. population doit s'y prendre pour se protéger ben, Écoutez, le médecin qu'on a écouté tout à l'heure, il a dit, c'est comme la plupart des maladies. Mm-hmm. On l'a dit quand il y a eu le euh, Covid ici, mm-hmm, mm-hmm. que c'est ce qu'on a appris avec la maladie donc Covid, c'est ce que normalement ça devait se perpétuer parce que c'est l'hygiène de, tous les jours, c'est vraiment la, salubrité, c'est euh, le lavage, des, mains, n'est-ce pas Justement, c'est des choses mhm. pour toute la vie c'est valable. Mhm. Et la population aurait pu, certainement, c'est fait peut-être, être sensibilisée à ça. Mhm. Ce qui m'inquiète, c'est quand même plus de 10%, 11% mhm, de, de, létalité. C'est énorme à mon avis. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la partie la moins peuplée de notre mhm, pays qui mhm, est touchée. Ça a été d'ailleurs le cas, je me rappelle, il y a quelque temps, euh, avec aussi la maladie, la méningite. C'était aussi Agadez qu'on avait écouté et c'était la même chose. Et ça, ça, ça indique quand même long ce n'est pas une population, mhm. il n'y a normalement pas une concentration humaine, il n'y a mhm. pas... Qui pourrait euh, expliquer, oui, la propagation. Oui, la méningite, c'est Agadez, aujourd'hui la diphtérie, c'est Agadez. Mhm. Peut-être que c'est dû euh, à la concentration mhm. au niveau de la ville d'Agadez, qui est aujourd'hui quand même surpeuplée, il faut le reconnaître, n'est-ce pas Oui, l'arrivée de, de, beaucoup de migrants, le blocage des migrants et mhm, tout. Mhm. Euh, on ne dit pas que c'est les migrants qui amènent, mais quand il y a une concentration humaine, il y a des risques de propagation de toutes sortes de maladies. Il suffit qu'il y ait un seul malade, tout de suite plusieurs autres vont l'attraper. Néanmoins, il dit que des dispositions voilà. sont prises. Voilà, donc heureusement, les dispositions sont prises. Euh, mais à sensibiliser. Mais mm-hmm. la question de la prise en charge mm-hmm. dans notre pays, Elle doit être mais aujourd'hui, en fait, il n'y a que le privé, il faut le reconnaître. Mm-hmm. Parce que généralement, on va au public parce qu'on pense qu'on va avoir un peu de réduction. Mais quand vous faites le point finalement, vaut mieux aller dans le privé même où on perd moins de temps <laughs> et où on est quand même satisfait parce qu'on sait que c'est tout de suite qu'on va. Mhm, mhm, Or, mhm. tu vas passer, d'abord, tu ne sais pas qu'est-ce que tu payes, tu qu'est-ce que tu ne payes pas, c'est à quoi ça sert l'argent que tu donnes. Or, on a un environnement aujourd'hui vraiment euh, une ambiance de pauvreté qui règne dans notre pays. Il ne faut pas se le cacher. On souhaite vraiment que cette Il faut situation faire face à ça. C'est vraiment sérieux. Ça, contrôle, oui, le CNSP, là, ça, tu, vous voyez, c'est des choses qu'il faut régler une bonne fois pour toutes avant de, de Effectivement. C'est le droit la oui, Rapidement, nous sommes à la fin. rapidement, je viens, rapidement, rapidement souligner que je viens de lire un communiqué, une note d'information du ministère de la Santé qui dit qu'il y a le truc de dingue. Dengue. Ils disent que c'est des cas dans la sous-région et faire. Ils ont donné les signes un peu, comment mhm. les, comment ça, ça, se manifeste. Et ils disent qu'on n'a pas de laboratoire pour pouvoir. Alors, moi j'ai dit, voilà encore un autre défi. Un autre qui se pose. On souhaite vraiment que ces, ces, situations soient euh, au contrôle. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 27 octobre 2023. Merci euh, donc à vous de nous avoir euh, suivis. Merci chers invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative et Ousseini Issa, journaliste indépendant. N'oubliez N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes le samedi et dimanche euh, avec l'actu des jeunes dès 17h suivi de tous à la FADA et les forums en langue Hausa et Zerma les samedis et dimanche à partir de 18h15 euh, minutes. La technique est assurée par Seni Saka, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis fils Adam Sirfa, la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.